Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la situation sécuritaire au Niger. Avec nos invités, nous allons entre autres analyser le bulletin du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires du 10 juillet passé qui indique une baisse significative euh, du nombre de victimes civiles d'actes de groupes armés au Niger. Ensuite, nous parlerons des sanctions financières infligées aux quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile du Niger pour des manquements. L'actualité, c'est aussi la visite de 72 heures du président de la République, Bazoum Mohamed, dans la région de Tawa avec en toile de fond l'inauguration mercredi 19 juillet de la cimenterie de Badagishiri. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Garé Amadou, directeur de publication de l'hebdomadaire satirique nigérien Le Canard déchaîné et également journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Diado, journaliste indépendante. Maimoune Diado, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste indépendant également. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 21 juillet par la situation sécuritaire au Niger. Le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires a publié le 10 juillet son bulletin. Selon lui, le nombre de victimes civiles d'actes de groupes armés au Niger a connu une baisse significative. Le CNAP attribue cette amélioration à la présence présence constante des fortes défenses défense et de sécurité et aux efforts de paix du gouvernement. L'analyse indique que les civils sont de plus en plus épargnés par les actions de masse. Cependant, l'insécurité semble changer de forme, passant d'actes de terreur à des actes de banditisme armé, se traduisant par du vol, des enlèvements ou du trafic en tout genre. Cinq morts, dont un gendarme et quatre civils, 19 blessés côté amis, deux assaillants tués et d'importants matériels récupérés. C'est le bilan d'une attaque d'individus armés le vendredi 14 juillet sur le tronçon Torodi-Makolondi, région de Tilaberi, non loin de la frontière du Burkina Faso. Avez-vous d'autres informations ou d'autres précisions au sujet de cette attaque qualifiée de complexe par les l'état-major des armées nigériennes Mokta, je ne peux avoir encore d'autres informations du moment que le communiqué de l'état-major fait cas de ce que vous venez de dire à l'instant. L'information qui circule, c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut condamner, c'est déplorable en tout cas quand on voit que l'axe toro dima que dit aujourd'hui, les Nigériens qui veulent voyager ou les Burkinabés qui veulent venir ici au Niger n'ont pas euh, du tout, euh, ne sont pas du tout en sécurité pour pouvoir voyager parce que je me rappelle, est-ce que c'est pas même un convoi? Euh, c'est un convoi. qui a été escorté par la gendarmerie. la qui a été attaqué. Donc si aujourd'hui un convoi euh, n'est pas en sécurité, bien que c'est escorté par les gendarmes, il faut se poser la question. Soit on laisse ce tronçon pour ne plus, en tout cas, voyager sur ce taxe, soit on continue de voyager, mais on continue de renforcer aussi la sécurité et que les passagers qui, en tout cas, prennent cette route je suis sûr qu'ils euh, n'auront pas la conscience tranquille jusqu'à arriver à destination. Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Soit on renforce la sécurité des deux côtés, soit on dit, on donne l'information de plus en plus pour dire que voilà, il faut en allant au Burkina Faso, peut-être il y a d'autres euh, pistes, d'autres euh, routes que vous pouvez emprunter qui n'est pas aussi le cas comme Torodi et Makolondi. Est-ce qu'on est forcé de voyager entre Torodi et Makolondi Mais il faut également savoir qu'il y a des habitants qui sont obligés, puisque ce sont, ils vivent là-bas, c'est des populations qui vivent là-bas, donc ils sont, obligés de toutes les mille manières de prendre ce tronçon-là. Est-ce que, vous avez été euh, surprise euh, par rapport à cette attaque-là Surprise parce que si c'était pas un convoi, en tout cas escorté, je n'allais pas, j'allais dire que c'est bon, c'est possible que ça soit attaqué ainsi. Mais quand ça soit, qu'on se retrouve devant un convoi, un convoi de la gendarmerie. Escorté. par la gendarmerie. Et, même des militaires, parce qu'il y a des militaires blessés. Oui, et que, qu'on dise que ce convoi a été attaqué. Mais c'est, plus inquiétant. On, on sait qu'il y a des bus qui sont attaqués, qui ne sont pas en tout cas convoités et par, les forces de défense et de sécurité. Donc ça, il faut, ça doit interpeller la conscience des uns et des autres. Soit on se... Bon, cette question de sécurité, ça... <laughs> Je ne sais pas comment situer cette question de sécurité honnêtement dans cette zone frontière entre Burkina et le Niger, à la frontière surtout de Makolodi vers vraiment. Macolondi, euh, Kanchari. et les autres, c'est vraiment difficile. Hein. C'est vraiment difficile. Et je t'assure, aujourd'hui, je ne suis pas la seule personne. Il y a des gens qui, depuis que cette situation a commencé, ils ont, ces, ces gens, ces personnes ont même oublié que le tronçon là existe parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Ils ont la peur bleue de voyager. Et mais je dis que c'est pas, en tout cas, on ne peut pas rester les bras croisés face à cette situation. C'est tout simplement d'interpeller les nigérien et interpeller de l'autre côté également le Burkina Faso pour qu'il y ait plus de, de présence militaire et qu'il y ait plus de collaboration militaire entre les deux pays pour qu'on puisse mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Mme Diado, Gare Amadou. Euh, que peut-on retenir au sujet euh, de ce bulletin du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires publié le 10 juillet passé J'ai constaté que vous avez même titré au niveau de votre journal euh, par rapport à cet élément. Voilà. Donc, mais avant d'attaquer cet élément du CNAP, ce bulletin du CNAP, mm. il faut quand même préciser que l'attaque de Maclondi, pourquoi l'état-major parle d'attaque complexe c'est d'abord une mine qui a été posée. Ah. Donc c'est un véhicule qui a sauté sur une mine. Quand le véhicule a sauté sur une mine, j'imagine c'est un des véhicules de la gendarmerie, c'est ça qui fait le nombre de morts là. Mhm. Et donc quand le véhicule a sauté, les assaillants ont commencé à tirer. Mais contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de faire, cette fois-ci, la gendarmerie était bien sûr sur ses parce qu'elle escortait un véhicule. Elle savait qu'il se pouvait qu'il y ait une attaque. Et donc, la riposte énergique de la gendarmerie a fait que les assaillants ont fui. Et ils ont fait ce qu'ils n'ont jamais pu faire laisser leurs cadavres, les cadavres de leurs leur combattants. oui, oui, qu'ils ont laissé. laissé euh, ils n'ont pas eu le temps de les prendre. Ça veut dire que la puissance de feu de la gendarmerie était très forte. Mais comme l'a dit Memouna, attaquer un convoi et escorter. Et c'est vraiment euh, de l'audace euh, de la part de ce truc-là. C'est pourquoi, moi, je dis que pour qu'une escorte puisse bien marcher, il faut qu'il y ait une chose qui est extrêmement essentielle. Les le, moyens aériens. Les moyens aériens pour surveiller la zone, pour survoler la zone. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avions. Il y a des drones qui peuvent survoler la zone là, le parcours là, pour voir a signaler la présence. Mais bien sûr, mais bien sûr, il faut ça. Il faut qu'on commence à utiliser. Il y a des drones qu'on a achetés avec la Turquie. Ces drones là, on doit Ces drones ont commencé à je fonctionner. Ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont commencé à fonctionner, mais, mais pour moi, la solution se trouve de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager des troupes militaires au sol dans des zones extrêmement dangereuses tant qu'ils n'ont pas la couverture aérienne nécessaire, au moins pour les informer de ce qui se passe. Parce que si la gendarmerie, s'il y avait les moyens aériens dans cet espace-là de Macalondi, on pouvait informer la gendarmerie que, attention, on a vu un mouvement de personnes à moto à tel endroit. Ils sont en train de se diriger vers votre convoi. Et là, la gendarmerie va arrêter les véhicules comment, et ils vont se... comment les assaillants ont su quand même que euh, le squat va passer, la gendarmerie, les militaires. Voilà le grand problème, Mokhtar. Le problème qu'on a aussi. Non, ça veut dire qu'il y a un problème de collaboration. Non, c'est pas un problème de collaboration. Il y a un problème de euh, d'antipatriotisme. C'est à côté d'un village. Non, c'est un problème d'antipatriotisme. C'est-à-dire que il y a des Nigériens traîtres qui sont ah voilà, c'est ça la le manque de collaboration. Il y a des Nigériens qui sont en train de donner de l'information aux ennemis. Parce que qu'est-ce qui se passe Ils ont exactement le nombre, c'est sûr qu'ils ont exactement le nombre de véhicules de la gendarmerie. Mhm. le nombre de véhicules qui sont en train d'être escortés, ils ont toutes ces informations-là. Et ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un étranger qui c'est des Nigériens qui aident ces, gens-là à commettre leurs actes. Voilà le problème qu'on a. Surtout le passage en réalité, à partir de Niamey jusqu'à euh, euh, Torodi, jusqu'à Makolondi, ils sont ah, informés. Ils sont informés, bien sûr, euh, Mokhtar, ils sont informés. Et donc, c'est ça, j'ai dit, donc la solution pour moi, il faut que l'État puisse mettre en tout cas les moyens qu'il faut pour que quand un convoi s'ébranle, parce que quand on parle d'un convoi escorté, ça veut dire qu'il y a des périodes bien établies au cours desquelles les convois vont s'ébranler. C'est-à-dire, on va dire, bon, lundi, mercredi, vendredi, il y a un convoi. Est-ce que vous comprenez Mais cette information-là, les terroristes l'ont. Et donc, pour pouvoir contrecarrer ce que les terroristes peuvent entreprendre, il faut qu'il y ait une protection aérienne. Donc c'est ça qu'il faut. Maintenant, concernant le bulletin du CNAP. Oui, oui le bulletin du CNAP est, venu, euh, en tout cas, confirmer un constat qu'on a fait quand même depuis un bout de temps. Il y a quand même une relative accalmie. Attention, on ne dit pas que la sécurité est revenue, mais on a constaté. Les attaques frontales ont cessé. D'abord, première chose, les attaques, de les attaques du type euh, Shinagoder Inates, mm, mm. ce n'est plus possible. Mais de plus, on a l'impression que les terroristes, si c'est nul l'attaque de, de, ce convoi-là, euh, de, Macron de en tout cas, ils, il, y a, des enlèvements, il y a des mais, ils évitent la confrontation avec l'armée. Et pour moi, le fait qu'ils aient laissé les cadavres là, est-ce que dans le convoi, ils savaient qu'il y avait l'escorte les, quand ils ont attaqué le convoi de véhicules Peut-être, c'est des questions que je pose. Mais... mais, eh à la suite de chaque attaque, il y a quand même des ratissages. Est-ce qu'il y a eu euh, du ratissage Oui, tout ça là, c'est les moyens aériens qui peuvent le permettre de le faire. Vous savez, les terroristes là, quand ils attaquent un convoi, c'est un groupe qui va attaquer. Maintenant, le groupe là qui attaque là, quand il se replie là, il y a un autre groupe qui est en embuscade. Hein. Et donc, les militaires ne peuvent pas s'aventurer comme ça. Pour les suivre. Ah non, non, non, non, non, non. c'est extrêmement dangereux. D'abord, le terrain est miné, et puis vous ne savez pas ce que vous allez trouver. C'est pourquoi, quand il y a des drones ou des moyens aériens, ils peuvent voir ce qu'il y a et on peut les informer. Donc, j'ai dit, euh, il y a un constat qui est fait quand même depuis un bout de temps. On sent qu'il y a une certaine, en tout cas, baisse de ces attaques-là. On sent une baisse. Donc, ce que le CNAP a fait, c'est un constat qui est basé d'abord sur des, sur les, sur les chiffres donnés. C'est une étude, c'est à travers un bulletin. C'est à travers tout ce qui a été fait comme bilan par l'effort de défense et de sécurité. Par les, ils ont recoupé, coupé, ils ont, et c'est ça qui a permis d'avoir ce chiffre-là. Mais c'est constatable. C'est quelque chose qu'on remarque. On remarque certains trucs là. l'insécurité est là, mais les choses ont diminué. Et c'est tellement vrai qu'à tel point qu'on considère que le Niger aujourd'hui est le pays qui s'en sort le mieux dans la sous-région en matière de lutte contre le terrorisme. Mais il y a toujours des écoles qui sont fermées. Oui, il y a des les, euh, déplacements des populations. non, les déplacements ont diminué même ça a diminué par rapport, par rapport au passé. Ce qu'on a connu par le passé, là, le déplacement massif des populations de, l'Anzourou, on n'a plus ça. Est-ce que vous comprenez Maintenant, il y a des déplacements euh, sporadiques, mais ce n'est plus l'envergure qu'on connaît. Et donc, je, pense que le bulletin du CNAP est venu rappeler quand même tout ce qui a été fait. Et ça prouve que les efforts des autorités nigériennes en matière de euh, renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en nommé en matériel et le travail de coordination fait en sorte qu'on atteigne d'obtenir de bons résultats. Merci beaucoup, Gary Amadou La situation humanitaire à Ouro reste précaire. En plus de 10 000 personnes déplacées dans la localité de Ouro à Torodi et à Niamey alerte le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad. Ces personnes fuient les violences perpétrées par les éléments présumés des groupes armés non étatiques présents dans la région de Tilaberi et dans la zone des trois Frontières. Quelle est votre opinion au sujet de la situation humanitaire dans la commune de Ourogaladjo Merci Mokhtar. Vous savez, euh, dans cette commune rurale, euh, les gens ils n'ont que des activités qui sont liées aux activités agricoles et l'élevage et un peu de commerce. Mais quand ils arrivent à quitter euh, leur lieu de résidence, vous savez, c'est très difficile. Comme on connaît un peu la situation de l'accès aux terres, vous ne pouvez pas vous déplacer et puis venir travailler la terre de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire, ce qui démontre qu'il y a une certaine complexité de la situation humanitaire. Ces gens ont besoin réellement d'aide. ce qui se passe, ce n'est pas des attaques qui sont venues que le groupe armé étatique sont venus faire. C'est des menaces avec quelques cas d'assassinat pour des résistances. Donc ils, sont les gens le plus souvent de quitter leur village pour un délai, ils donnent 12 heures au-delà jusqu'à 4 jours, 5 jours, voire une semaine. Mais selon certains témoignages, ils disent que cela a été concomitant avec l'arrivée des forces de défense et de sécurité dans la zone. Dans la zone. Dès qu'ils sont venus, et avant, c'est vrai, ils les voient, les, les, les gens se circulent, ils viennent, mais ils ont dit c'est c'est comment on appelle, ces menaces de, de quitter leur village, c'est quand il y a eu eh, l'arrivée des FDS mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui est à la base de cette situation et ce de revirement. Parce que compte tenu même que la dangerosité, ils ont quand même pu essayer de rester dans leur... parce qu'ils sont attachés à leur terre, c'est toute leur histoire, c'est toute leur vie. Donc, ils ont essayé de s'adapter à la situation. Mais malheureusement, aujourd'hui, la situation s'est empirée, on les force euh, de quitter. Hum, aujourd'hui, on sait qu'au Niger, on a une loi qui porte assistance et protection des personnes déplacées. Moi, je pense qu'il faut aussi trouver les voies et conformément à cette loi qui se base sur la convention de Kampala pour que ces, euh, ces personnes puissent vraiment d'abord être assistées et créer en tout cas maintenant des conditions de sécurité pour qu'ils puissent retourner dans leur village. Et Samadougou, vous l'avez rappelé tout de suite, la dégradation de la situation humanitaire dans cette localité du Ouregaladjo intervient dans un contexte d'installation et de l'évolution de la campagne agricole. Y a-t-il des risques liés à ce phénomène mais écoutez, quelqu'un qui vit, qui dépend des activités aujourd'hui de, euh, agricoles et la campagne, elle est propice pour ces activités. Mais cette campagne même, il faut reconnaître que cette année, la situation est vraiment dramatique. Combinée à l'insécurité, le climat aujourd'hui est en train de montrer notre facette à ces populations. Les gens ont s'aimé depuis Le climat, changement climatique, oui, c'est de ça que j'aimerais parler. Vraiment, il faut essayer que, que dans une vision commune, une synergie d'action, essayer d'apporter des solutions idoines à ces populations. Parce que ces gens aujourd'hui, ils ont semé depuis quelques mois, mais <laughs> compte tenu de la pluviométrie euh, qui n'est pas au rendez-vous, ils ont même oublié qu'ils ont planté. Maintenant, il y a encore cette situation de déplacement où on vous dit vous êtes sommé de quitter, sans quoi si on vous retrouve dans vos lieux, et on va vous tuer. Regardez, quelqu'un qui est déjà dans sa tête sa réflexion, comment je vais nourrir les prochains mois mes, mes progénitures et on vient encore avec ce couper sur sa tête. Vous voyez, c'est très difficile. Donc, au-delà même de l'assistance humanitaire, il faut penser aussi à une prise en charge psychologique de ces, de ces hommes et de ces femmes afin que vraiment ils puissent être à même à mesure, même une fois si des solutions ont été apportées pour qu'ils retournent chez eux, qu'ils puissent être aptes vraiment à mener une vie normale pour leur propre épanouissement. Merci beaucoup à tous. On a fait une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Au Niger, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste a infligé des sanctions pécuniaires à l'encontre des quatre principales compagnies de téléphonie mobile opérant dans le pays pour des manquements persistants dans leurs offres de services malgré des avertissements selon cette autorité. Ces sanctions à l'encontre de certaines Niger aujourd'hui défini RTL, Zamani, Move Africa Niger et Niger Telecom ont été rendus publics euh, par la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste, Madame Betty Aichatou Habibou Oumani, lors d'un point de presse qu'elle a animé le lundi 17 juillet passé à Niamey. ces sanctions indiquent la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste et la conséquence de la non-conformité au texte en vigueur par euh, ces entreprises dans le cadre de leurs offres. Que peut-on retenir au sujet de ces sanctions et Vous savez, ces sanctions sont des sanctions qui, en tout cas, sont les bienvenues pour les consommateurs que nous sommes. Chaque jour, nous nous plaignons des offres de services. La mauvaise qualité. La mauvaise qualité du réseau, vous voyez je, ne veux pas indexer mais la mauvaise qualité du réseau, n'est-ce pas, etc., etc. Et cest à on se plaint, on se plaint, mais nous sommes heureux aujourd'hui que, le, en tout cas, l'ARCEP ait décidé quand même de taper du poing sur la table et d'infliger ces sanctions-là. Cependant, pour ce qui est de Niger Telecom, quand même, moi je trouve que euh, Niger Telecom est une, société qui a une difficulté. Pourquoi Elle a une difficulté parce que... C'est une, une société nigérienne. C'est une société nigérienne. Mais de plus, c'est qu'il y a de l'argent que l'État doit à Niger Telecom que l'État ne paye pas. Ah. Et ça, on vous parle des milliards parce que vous savez, les frais téléphoniques là, au niveau des ministères et tout ça là, mais ça fait beaucoup d'argent. Mais on ne paye pas Niger Telecom. Les gens ne payent pas Niger Telecom. L'État ne, paye pas. L'État ne paye pas. Les gens ne payent pas où l'État ne paye pas. L'État, j'ai dit l'État. Voilà. Quand l'État ne paye pas Niger Telecom. Mais alors, il y a de plus, on exige à Niger Telecom que Niger Telecom soit performante. Mais c'est pas possible. Là, on vous parle des milliards et des milliards que l'État. doit verser. Que doit verser à Niger Telecom pour des prestations que Niger Telecom a faites, pour des frais téléphoniques, etc., etc., qu'on ne paye pas. Mais comment voulez-vous qu'une société comme ça puisse marcher Et une société. Il y a aussi l'Internet un peu partout dans les lieux je vous dis, ça c'est un sujet, c'est des milliards qu'on qu refuse de payer à Niger Telecom. Mais comment Niger Telecom va se développer Comment est-ce que vous voulez que Niger Telecom puisse améliorer son truc Oui, si c'est une excuse pour euh, Niger Télécom et les autres opérateurs. Non, les autres opérateurs, eux, ils n'ont pas d'excuse. Parce que quand même, je prends un exemple pour ceux qui ont des abonnés, non, je ne vais pas citer. Ce que je vais dire, je ne vais pas citer de, de, <laughs> Enfin, ce que je vais dire, c'est que ces opérateurs de téléphonie mobile privée, là, mais c'est eux qui ont le gros des abonnés. Niger Telecom n'a pas, les gros des abonnés. Et vous savez combien de milliards ils se font par jour Vous savez combien de milliards les quatre opérateurs privés, là, je parle de. Euh, les, trois autres. Les trois autres, je veux dire, Niger Telecom euh, Move, euh, euh, Zamani. Vous savez combien de milliards ils se font par jour Non, moi, ils ne me font pas pitié, eux. Parce que moi, je trouve que Niger Telecom n'a pas beaucoup d'abonnés qui lui permettent même. L'argent de Niger Telecom, ça ne peut même pas de la téléphonie cellulaire. Non. Ce sont les prestations d'Internet, de téléphonie et tout, tout, euh, au niveau des bureaux. C'est ça qui rapporte de l'argent. Malheureusement, le premier client qui est l'État ne paye pas. Voilà le problème dans lequel Niger Telecom est. Il ne faut pas que les gens se tonnent. Hein. Niger Telecom ne peut pas faire de miracle. Niger Telecom, l'État doit lui verser de l'argent, n'est-ce pas, pour des prestations et l'État ne le verse pas. Et qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui encore, on vient sanctionner Niger Telecom. Est-ce que vous trouvez que c'est juste Chacun fait son travail. Une institution indépendante qui fait son travail. Arcep n'a pas, pas à savoir que euh, l'État ne paye pas. Parce que l'ARCEP, là, l'ARCEP a un cahier de charges qui veut que quand même des prestations de qualité soient offertes par les opérateurs. C'est ça le terme. Donc l'ARCEP n'est pas en faute. Seulement, j'ai dit, l'État du Niger a le devoir. A le devoir de payer Niger Télécom ce qu'il lui doit pour lui permettre de survivre et de se développer. Merci beaucoup Gary Amadou. Issa Madougou, selon la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste, Madame Betty Echatou Abiboumani. tout est parti d'une campagne de vérification du respect par euh, les opérateurs de leurs obligations édictées par euh, la réglementation du secteur. Êtes-vous surpris de ces sanctions Écoutez, euh, l'ARCEP n'a fait que son travail. Les obligations dont il parle, est-ce qu'une fois ils ont rendu public l'ARCEP même pour conforter eh, le consommateur nigérien dans sa position d'être chaque fois grigé par des services qu'il utilise ses propres moyens mais dont il n'est pas satisfait du service offert Est-ce qu'une fois l'ARCEP a publié, rendu public ces obligations-là Bon, peut-être ça, c'est donc, mais ce que le consommateur peut constater, lui, en tant que consommateur aujourd'hui, c'est la mauvaise qualité dans l'Internet, les appels et les messages. Et aussi, souvent, quand vous faites des forfaits, vous pouvez faire un forfait mensuel, peut-être de 6 gigas. vous, Demain, quand vous faites, euh, vous essayez de voir combien vous avez, vous allez trouver peut-être 500 mégas, sans explication. Donc, le consommateur nigérien ne voulait qu'une chose. Quand il sort, de sa poche, son budget là, mhm. qu'il le consacre. Mais euh, est-ce que vous êtes surpris Est-ce que vous avez constaté des désagréments dans la fourniture des services euh, téléphoniques Il n'y a pas euh, quelqu'un qui n'utilise pas le téléphone aujourd'hui qui n'est pas victime de ça. Il n'y en a pas. Vous avez vu des gens qui se plaignent Moi-même, moi-même, moi-même. moi-même, moi-même. Combien de fois J'arrive, je fais par exemple 24 heures, je n'ai pas d'internet. Le pas. débit est lent. Même, souvent, même si c'est le débit qui est là. oui. Mais souvent, c'est que même la qualité. Dans Niamey, même, tu peux appeler quelqu'un que tu n'arrives pas à l'entendre. À côté de toi, hein, tu peux ben Oui, ça arrive. Mais maintenant, moi, c'est que ça, aujourd'hui, on a sanctionné. Quelle est l'incidence aujourd'hui sur le consommateur Il suffit pas simplement de sanctionner, mais il faut les amener aussi à se corriger. Il faut mais, les est-ce que euh, la sanction, c'est pas dans le même cadre Non, mais on sanctionne, ils vont payer. De toutes les façons, c'est qu'ils vont payer là, hmm. même s'ils payent vous et nous tous, on va encore repayer. Parce que c'est comme ça. Tu vas faire des recharges 5000, 4500 va rester, tu ne sais même pas les 500, comment c'est parti. Ou bien tu fais de 5 francs, va quitter, tu ne sais même pas. De toutes les façons, nous, ce qu'on attend aujourd'hui des autorités, quand on régule quelque chose, il faut apporter des réponses aux consommateurs. Mais au Niger, on a constaté qu'on ne fait que sanctionner. Aujourd'hui, toutes ces sanctions-là qu'on a encore infligées, c'est des sanctions pécuniaires qui vont être logées dans les caisses de l'État et de l'ARCEP. Mais nous, le consommateur nigérien. Maintenant, maintenant, la question que, en tant que consommateur, on se pose, est-ce que aujourd'hui ces sanctions peuvent amener ces opérateurs à, se corriger. À se corriger, parce que ce n'est pas la première fois qu'on les sanctionne. Ce n'est pas la première fois qu'on les sanctionne. on, constate même souvent que le problème même se multiplie encore. Parce qu'il y a des zones, n'est pas seulement Niamey, hein. il y a des zones il n'y a même pas le réseau. compris l'intérieur du Oui, il n'y a même pas le réseau. Les gens ont des difficultés. Même pour, parce que vous savez, en milieu rural, les gens utilisent le, la, le portefeuille électronique. Ça, les mouflages, Airtel Money et consorts. Souvent, c'est avec ça qu'ils voyagent. Aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité résiduelle, dans, dans les marchés, là, les gens utilisent le mobile money. Donc, Souvent, ils vont au marché, il n'y a plus le réseau. Même pour faire les transactions, ils ne peuvent pas le faire. Le consommateur nigérien, lui, quand on dit on sanctionne, c'est bien de sanctionner. Mais quelle est maintenant. Il faut améliorer l'offre. Non, quelle est l'implication par rapport, lui, à sa demande de service, le mm. service que lui, il paye Est-ce que le service va s'arranger C'est la question que les gens se posent. Merci beaucoup, Issa Madougou, Maïmouna Diado. Ainsi, un délai de 4 mois à compter euh, du 31 août 2022 passé a été accordé aux opérateurs pour corriger euh, les défauts à constater. Comment expliquer le laxisme de ces opérateurs de la téléphonie mobile au Niger Moi, je suis d'abord tout à fait d'accord avec ce que Issa vient de dire et ce que Gary Il ne suffit pas de sanctionner, il faut mais améliorer ça, En fait, quand vous faites chaque fois, c'est la même chose qui revient. Ça veut dire que c'est les sanctions, il faut payer. Mais on ne peut pas aller au-delà de il faut payer parce que eux, ils payent. mais comment amener ces opérateurs-là à, se corriger Mais c'est ça, en fait. Quand vous utilisez le mode il faut payer, il faut essayer de voir quand vous dites à quelqu'un de payer et que quelqu'un vient, il paye et il n'améliore pas les prestations après. Mais il faut chercher une autre solution. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de suivi. Quand l'ARCEP fait ses points de presse pour annoncer que tel opérateur euh, de téléphonie mobile doit payer ainsi, doit payer cela, et c'est un délai de, par exemple, 4 mois, comme tu viens de le dire. Moi, je me dis... Pour corriger. Pour corriger. Après, revenez pour dire que, est-ce que réellement ce qu'ils ont demandé. Au-delà de quatre mois. Au-delà de quatre mois. Est-ce que ce qu'ils ont demandé à ces opérateurs-là de faire, est-ce qu'ils ont fait C'est ça, en fait. Parce que déjà, le consommateur que nous sommes, on devrait voir qu'il y a une amélioration au niveau de, la, qualité des de la, qualité des services de ces opérateurs-là. Mais si il n'y a pas la qualité, c'est encore un autre problème pour nous. Est-ce que vous voyez Parce que l'ARCEP encaisse. On est d'accord. De l'argent. Encaisse l'argent qu'eux, ils vont payer. Mais nous, en termes de consommateurs, comme l'a dit Issa, mais nous, on trouve quoi dedans Parce que c'est quoi le problème euh, Merci Issa, vous n'avez pas la non, parole. En fait, en fait c'est vrai, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de compléter ce que moi je voudrais dire. Mais je dis, aujourd'hui, en termes de qualité, c'est nous, c'est ça qui nous inquiète. À Niamey, il ne faut pas aller loin. Quand tu quittes ton quartier, tu vas dans un autre quartier, il est difficile d'avoir la connexion. En tout cas, pour certains opérateurs là, de téléphonie, il est difficile aujourd'hui que je quitte mon quartier et que je parle, ne serait-ce qu'à côté, je n'ai pas le réseau là. Je suis en difficulté. Voilà. Quand tu... oui, mais, c'est ça en fait. Mm. C'est ça. La personne est à côté de toi, tu appelles, on te dit indisponible, alors qu'il est à côté de toi. Donc ça veut dire quoi Il y a des fois, ça sonne à ton niveau, mais ça ne sonne pas euh, au niveau de celui dont tu appelles. C'est un autre problème. Tu as besoin de, télécharger quelque chose rapidement, tu n'as pas accès à ça. Donc c'est un autre problème. On ne vit que de problèmes de jour en jour dont la cause, c'est les opérateurs. Donc, selon vous, les sanctions n'arrangent en rien euh, la, difficulté mais, euh, ça fait combien, Non, ça fait combien d'années que ARCEP est là Que, que l'ARCEP sanctionne même. Oui. Bah, c'est ça que je voudrais dire. Sanctionner là. Sanctionner là. Si, si les opérateurs, si Arcep arrivait par ces sanctions-là à ramener ces opérateurs qu'il y ait plus de qualité, en tout cas au niveau des consommateurs qui utilisent les réseaux, moi, je pense que depuis lors, là, on ne serait pas à ce stade-là. Merci beaucoup, Maimoun Diado. Gary Amadou, quelles sont les attentes des Nigériens vis-à-vis euh, de ces opérateurs de téléphonie mobile et même de, euh, de l'ARCEP C'est vraiment l'amélioration de la qualité. Moi, pour moi, et, d'abord, il y a une précision, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ARCEP qui encaisse les, les sanctions. Le ministère des Finances. Oui, c'est le ministère des Finances et puis ça va au Trésor. Ce n'est pas l'argent qui rentre dans les caisses de l'ARCEP. mais maintenant, c'est une institution de l'État. Non, c'est pas ça. Bon, c'est lui, qui force, qui force pour qu'on paye. Donc, c'est lui qui force. Mais l'argent ne vient pas dans les caisses de l'ARCEP. De, toutes les façons. Donc, maintenant, ce n'est pas ça le problème. Non, ce n'est même pas ça le problème. En réalité, la question qu'il faut se poser, pourquoi, comme ils le disent, chaque année, il y a des sanctions, mais ça ne s'améliore pas pour moi, ça veut dire que, en réalité, les sanctions, elles ne le font rien. Ça veut dire que quand on voit leur chiffre d'affaires, dire à RTL de payer un milliard, vraiment, c'est une goutte d'eau dans l'océan des bénéfices qu'ils font. Pour moi, c'est. Et, donc, et donc, il faut modifier les textes. texte. Vous voulez dire que l'ARCEP doit aller au-delà de ces sanctions Non, il faut modifier. parce que les, sanctions de l'ARCEP sont basées sur les textes. Il faut modifier les textes pour faire en sorte que les amendes là soient plus lourdes. Qu'on arrête, qu'on arrête l'opérateur, selon vous Non, pas l'opérateur. Quand les amendes sont lourdes là, vous savez, on va vous amender, on vous dit RTL de payer 1 milliard. RTL peut faire 600 milliards par an, 1 milliard c'est. Bah, ils disent, bon, voilà, on donne ça au trésor, c'est pas grave. Donc, mais ça ne change rien. Mais si on dit, euh, à cause de ça, vous allez payer 10 milliards, 10 milliards, ça pèse. Et donc, il faut modifier les textes pour faire en sorte que les sanctions là soient pécuniaires, soient plus, soient plus lourdes. Là, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Gary Amadou. Issa Amadou, rapidement, 30 secondes. Effectivement, ce n'est pas le qui encaisse qui intéresse les gens, c'est l'amélioration de Mais il faut se dire une chose c'est au Niger que le consommateur est délaissé. Vous voyez un seul exemple. Ce mois passé, il y a eu tellement de coupures et aujourd'hui, toutes les factures ont augmenté. y a de les coupures euh, d'électricité. Le consommateur nigérien est abandonné à son sort. Aujourd'hui, s'il y a un consommateur, regardez dans la sous-région, faites un peu, regardez comment ça se passe. Mais au Niger, est-ce que ces décisions sont prises pour protéger le consommateur ou bien l'ARCEP est dans sa mission Mais je ne pense pas que l'ARCEP a pris ces décisions pour vraiment protéger le consommateur nigérien, mais il a, il a eu à prendre ces sanctions conformément à sa mission de régulateur. Mais aujourd'hui, nous demandons à l'État de prendre les dispositions pour que le consommateur nigérien soit protégé ah, dans sa demande de services de qualité, dans sa demande de prestations de qualité. Parce qu'il faut aussi que ces coûts-là, qui définissent un peu euh, la prestation de ces services soient adaptés aux réalités économiques du consommateur consommateur. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. Le président de la République a effectué une visite de 72 heures cette semaine dans la région de Tawa. Bazoum Mohamed a mis à profit cette visite pour inaugurer la nouvelle usine de cimenterie de Badagishiri, réceptionner les tronçons d'Angona, Ilela et Tabalaka à Tawa, ainsi que le lancement officiel des travaux de construction de la voie à Kintabaraden, embranchement à Tabalaka et celle à Dabalaka Tabalaka. Isamadougou, que peut-on retenir au sujet euh, du complexe euh, cimentier de Badagichiri rapidement il faut apprécier un peu quand on a euh, ces industries qui se créent parce qu'on a besoin aussi du secteur privé pour développer notre industrie. Mais il faut que le produit qui sort aussi puisse être vraiment un produit qui sert aux Nigériens, qui est adapté aux réalités économiques du Nigérien. Parce que... Vous voulez parler de l'accessibilité L'accessibilité euh, du produit. C'est bien d'avoir une cimenterie. Aujourd'hui, moi, je suis heureux quand je vois souvent, même si c'est fortement concurrencé, celle qui existait de, de Malbaza, même si ce, ciment est fortement concurrencé par des ciments qui viennent de l'étranger, je suis heureux de le voir que des Nigériens l'utilisent. Mais il faut aussi que l'État crée des conditions pour que ces entreprises-là, qui emploient des Nigériens, puissent, être, euh, puissent faire face à cette concurrence en adoptant leurs prix vraiment à des prix très abordables qui puissent permettre aux Nigériens d'avoir accès à ces. Aujourd'hui, quand on sait, il ne suffit que quelques coups d'eau dans certaines parties du Niger pour qu'il y ait des effondrements de maisons. Donc il faut faciliter cela au Niger. La majorité euh, euh, construite en banco. C'est une bonne chose parce que le Niger déjà s'est inscrit dans cette dynamique de euh, moderniser, les villes. moderniser les villes et aussi cette dynamique de développement du secteur privé et de l'industrie. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette dynamique de la ZLECAF. Il faut que l'État crée les conditions pour qu'il y ait une, certaine industrialisation et développer ce qui existe déjà pour que le Niger aussi puisse profiter. Mais en voyant sur le terrain l'État aussi souvent ne facilite pas la chose à ses investissements au Niger parce que ces produits sont fortement concurrencés par des produits qui viennent de l'extérieur. Vraiment, il faut qu'aujourd'hui, assurer, donner cette garantie même à certains investisseurs qui veulent, qui veulent venir investir au Niger. Quand vous venez, c'est le pays qui offre des conditions. Aujourd'hui, vous voyez, moi je pense que le Bénin, c'est que le Bénin est en train de faire en matière de développement de son industrie, doit être un modèle pour certains pays de la sous-région. Et nous devons nous inspirer cela. Nous avons ce projet de zone industrielle ici sur la route de Torodi. Depuis l'annonce, rien. Mais il faut que l'État aussi, par l'industrialisation, l'État investisse également dans l'énergie. On ne peut pas développer un pays et l'industrie d'un pays tant que nous dépendons fortement aussi de l'énergie qui nous vient de l'extérieur. Il faut avoir vraiment des investissements très importants dans ce domaine pour développer et créer les conditions à ce que ces industries puissent vraiment faire face à la concurrence. avez-vous une idée déjà du prix du, sac de ciment ou bien de la tonne pour euh, Badigishiri Non, non, non, non. Euh, Mango, je l'ai vu seulement sur le marché. J'ai demandé c'est quoi Mango. Il m'a dit que c'est le, ciment qui vient de, euh, de, Et c'est une fierté de voir un produit qui vient de, du pays. Merci beaucoup Issa Madougou. Oumemouna Diado, quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de la toute nouvelle cimenterie du Bas de Badagishiri Mais les attentes, euh, Issa a déjà évoqué les attentes des populations des Nigériens que nous sommes. C'est quoi les, attentes Mais c'est qu'on on étudie d'abord le prix du ciment pour pouvoir permettre aux autres, à nous autres, de construire grâce à ce ciment. Et de profiter. De profiter, donc. Parce que tout simplement, on ne peut pas avoir des usines aujourd'hui qui en fabriquent et que le Nigérien n'a pas totalement accès à ça. Donc, il faut qu'il y ait d'abord euh, une quantité, en tout cas, euh, de ce ciment. Lié, le prix soit étudié et qu'on emploie également les Nigériens, les jeunes Nigériens qui y sont, qui ne font rien et qui peuvent trouver de l'emploi au niveau donc de cette société, qu'on puisse également les prendre. Voilà, pour que non seulement Badguichiri peut être donc euh, euh, tout simplement au niveau de cette zone, pour qu'on sache qu'il y ait vraiment euh, un changement. Un changement, quand je dis un changement, c'est qu'il faut également amener nos entreprises à prendre en charge quelque, chose à faire des investissements des investissements dans la zone. Localement. Localement, de la zone où ils sont. Ça veut dire que tout simplement, on peut construire des écoles, on peut euh, euh, faire des cases de santé, on peut appuyer l'État dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Et également, oui, et également faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes Nigériens, comme je viens de le dire, qui sont de, de, de cette région-là. Et étudier, surtout étudier le prix du ciment. Parce que si aujourd'hui on doit acheter un paquet au-delà de 5 000 ou au-delà de, de, de, 6 000, 7 000, et qu'un autre ciment qui nous vient, qui vient d'ailleurs, d'ailleurs est moins cher que le ciment que nous, nous avons ici chez nous, donc, c'est pas la peine. Gary Amadou, euh, avez-vous une idée au sujet des caractéristiques euh, de la cimenterie euh, de Malbaza Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a parlé de 1 million de tonnes de, trucs pour. Un peu plus d'un million. Un peu plus d'un million de, tonnes, par, an. par, an. Et puis 800 emplois qui vont être créés. C'est déjà quelque chose de très bien. Mais comme ils l'ont dit, ce qui va peut-être être important, c'est de savoir est-ce que la création de cette cimenterie-là va avoir un impact sur les prix du ciment ici au Niger. Vous savez, les lois de marché obéissent aux règles de l'offre et de la demande. C'est comme ça que ça marche. Et le Niger est dans un espace CDAO où il y a la protection des personnes, la libre circulation des personnes et des biens. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si Dangote veut amener du ciment, on ne peut pas lui interdire. Le Niger ne peut pas développer son industrie et faire du protectionnisme, ce n'est pas possible. Donc Dangote va amener son ciment. Maintenant, quelle est la politique qu'on peut mettre à nous pour permettre à ce que le ciment puisse venir Je pense que s'il y a beaucoup plus de ciment sur le sol national, ça peut impacter sur les prix et ça peut faire en sorte que, ça diminue. Mais pour moi, pour que cette société-là puisse être même viable, pour qu'elle puisse avoir beaucoup de bénéfices, il faut qu'elle-même, elle se pose, en tout cas, elle, fasse une offre de prix qui soit concurrentielle. Vous savez que le prix du sac de ciment aujourd'hui, c'est 5500 francs, mhm. n'est-ce pas Parfois 5000, parfois, mais 5500. Mhm. C'est ça le truc. Si aujourd'hui, la cimenterie qui, qui vient de s'ouvrir offre le ciment à 4000, c'est déjà bien. Je vais même aller jusqu'à 4500 même si c'est à 4500, je pense que c'est déjà bien. Les gens vont se rier vers là où, euh, euh, en tout cas, ceux, qui commandent, euh, qui vont certainement à l'usine acheter ça à 3500 et puis venir vendre ça à 4500. Mais on va chercher le ciment mongo. Bien sûr, on va préférer le ciment mongo pour construire. Donc, c'est une politique que pour moi, les auteurs, en tout cas ceux qui ont créé cette société-là, doivent faire. Sauf si c'est juste pour faire comme tout le monde, comme fait Dangote qui amène son ciment qui le vend à 5500 francs. Si c'est pour ça, Bon, moi, je ne vois pas l'impact. À part le fait que les emplois ont été créés, je ne vois pas l'impact pour les consommateurs. Comme l'a dit Issa, il faut faire en sorte qu'au Niger, là, le ciment puisse être le moins cher possible pour qu'on puisse pas avoir des maisons en banco. Aujourd'hui, dans la capitale, là, Niamey, en plein Niami a des maisons en banco. Beaucoup de quartiers, dans beaucoup de quartiers. Mais comment vous pouvez expliquer ça Niamey, la capitale, il y a des maisons en banco. La Brousse, on ne parle même pas. N'est-ce pas Ça, c'est des huttes et tout. en Brousse, quelqu'un qui a le banco, même, on considère qu'il est riche. Vous comprenez Mais en pleine capitale, vous avez des, trucs en, banco. Et, ces gens-là, c'est pas qu'ils n'ont pas, qu'ils ne veulent pas construire en dur. Non, ils ne peuvent pas construire en dur parce que le ciment est très cher. Aujourd'hui, si on amène le ciment à 3000 au Niger, 3000. Mais vous allez voir tous ceux qui ont comme maison en banco là-bas disparaître. Donc il faut que l'État, moi je suis d'accord avec ce qu'il s'est dit, il faut que l'État, en tout cas, fasse une politique qui va faire en sorte que le ciment puisse devenir moins cher, accessible à tous et c'est en ce moment qu'on peut peut-être dire qu'on va applaudir. Mais aujourd'hui, on est, fiers fier d'avoir une cimenterie comme ça. Maintenant, on va voir la politique de prix qui va être appliquée. Merci beaucoup, Gare Amadou. Rapidement, Issa Madougou. C'est tout avec le mm. bilan de 72 heures du président de la République de la région d'Ottawa. Allez-y. Euh, moi, je pense que les tournées des chefs d'État dans les régions sont vraiment des initiatives à saluer parce qu'il faut aller souvent à euh, rencontrer les populations rurales, être en contact avec eux, faire des, comme on appelle, des rencontres avec les cadres de commandement pour les élus également pour savoir qu'est-ce qu'ils va dans la région, qu'est-ce qui ne va pas. Vraiment, c'est un exercice que moi, j'encourage vraiment pour essayer un peu d'avoir euh, les réalités que de ne pas rester seulement dans les grandes villes pour pouvoir eh, eh, répondre à leurs aspirations. Il faut aller en contact avec ces populations, c'est une bonne chose. Moi, je l'encourage euh, vraiment, c'est que ça soit pas euh, uniquement à des occasions comme ça. Et pour finir, euh, par rapport à, la cimenterie, certes, c'est vrai, ce sont des eh, Chinois qui ont fait les, les investissements, mais il faut que aujourd'hui, l'État aussi pas ce, qui s'est passé avec la CNPC là, par rapport à, aux emplois là. Où on, Vous voulez dire que l'État doit avoir un œil regardant Oui, où on, renvoie les gens comme on veut. Une, un ministre prend une décision pour dire réhabiliter ces gens et un directeur refuse d'obtempérer la décision. Non, mm. Il faut même que, de justice. Non, il faut, il faut que le gouvernement, mm. l'État du Niger, l'État du Niger aujourd'hui doit vraiment être un État fort. Même tout à l'heure, quand Garé dit le Niger ne peut pas être, euh, peut pas faire du protectionnisme, mais c'est des lois communautaires que d'autres pays n'ont pas, ne respectent pas, ne sont, pas gênés pour euh, euh, violer. Par exemple, non. Quand vous prenez Buhari, ce que Buhari a fait là ce que Buhari a fait là à, travers la fermeture des, frontières. Oui, mais enfin. Non, non, regardez, vous n'avez pas la parole, allez-y. Non, c'est que Buhari a fait là. C'est une loi communautaire que Buhari a, violée. Violé. Mhm. Mais c'est quand le Niger a pris la décision d'arrêter la migration, ce ne sont pas les pays voisins aussi qui sont créés pour dire que le Niger est en train de faire une entrave à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Maintenant, pour nos propres intérêts, moi je pense que, quelle que soit la décision, pour permettre à ce que nous aussi, aujourd'hui, dans le cadre de la ZELCAF, nous sommes l'un des pays qui perd plus. On a quoi à offrir Regardez l'état de nos industries. Pratiquement, donne-moi, même les, sociétés qu'on a, on n'a que des entreprises. Il faut créer les conditions pour créer, pour renforcer tout ce qu'on a sur le plan économique afin que les investissements puissent être protégés, qu'on puisse rendre plus attirant la destination du Niger aux investisseurs. Merci beaucoup, Issa Madougou. Rapidement, 10 secondes si vous avez quelque chose à dire. Et, euh, oui, rapidement, euh, Gary Amadou. c'est vrai, ce que, que le Nigeria a fait, c'est mal. On peut condamner ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on doit faire. Parce que le Nigeria, quand il a fermé les frontières, il a dit que non, il y a trop de contrebande qui rentre. Il y a trop de produits contrebandiers, de, contrebande qui rentrent. C'est ça l'argument principal, n'est-ce pas Donc, moi, je pense que pour moi, L'exemple du Nigeria n'est pas un bon exemple à suivre. Le site de former les frontières ou de faire le protection. Non, non, non. Pour moi, merci beaucoup, merci beaucoup à tous. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Merci à nos invités, Garé Amadou, directeur de publication de l'hebdomadaire satirique nigérien Le Canard déchaîné et également journaliste au quotidien La Nation, Maimoune Diado, journaliste indépendante et Issa Madougou, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche, celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amin Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Au revoir.